18h passé de 15 minutes, c'est l'heure du Forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour décortiquer l'actualité. Si vous nous écoutez en ce moment, sachez que c'est en partie grâce à notre réseau de radios partenaires, 34 au total, diffusant chacune en direct les programmes du studio Kalango. Les points saillants du Forum de la presse de ce soir, d'abord cette commission centrale créée par le ministère de la Communication pour préparer et organiser les élections des futurs membres du Conseil supérieur de la communication, une décision que d'aucuns jugent de première à suivre les points de vue de nos confrères à ce sujet. Autre point toujours du domaine de la presse, ces correspondances envoyées par la Direction générale des impôts à travers la Direction des moyennes entreprises à certains médias. Ces correspondances sont très, sont relatives à des inspections prochaines dans les dix médias pour vérification s'ils sont en règle vis-à-vis des services des impôts et taxes. Et puis nous allons également revenir sur la marche organisée par la société civile le 28, le dimanche 28 janvier passé ici à Niamey et dans certaines régions du pays pour dénoncer la loi des finances 2018 qui les OSC, e les organisations de la société civile, qualifient de loi antisociale. Enfin, nous terminerons par cette mission parlementaire dans le département de Douti qui révèle une situation alimentaire inquiétante avec dans certains cas des femmes de la commune de Soukoukoutan qui se trouvent dans l'obligation de fouiller des termitières à la recherche de nourriture. Autour de la table pour en parler, nos confrères Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Arimi. Bonsoir. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Garé. Oh, bonsoir. Et nous attendons d'un moment à l'autre Roufaï Dandoua, journaliste indépendant, pour nous rejoindre. Présentation de cette émission à sainte Cousin Mahamadou. auditeurs, et auditrices du studio Kalangou, merci de rester fidèles à nos programmes. Bonsoir à tous et bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 2 février 2018. Nous débutons le forum par cette commission centrale qui a été officiellement installée lundi dernier et qui est chargée d'organiser les élections des futurs membres du Conseil supérieur de la communication, CC. créé par arrêté ministériel en date du 25 janvier 2018, la dite commission centrale comprend euh, huit membres issus des ministères en charge de la communication, de l'intérieur, des télécommunications ainsi que des représentants des médias publics et privés. Le mandat des membres actuels du Conseil supérieur de la communication s'achève en avril prochain. Le CSC est une autorité administrative indépendante prévue par la Constitution du 25 novembre 2010. Il est composé de 15 conseillers dont les trois sont désignés par les autorités politiques, notamment un représentant du président de la République, nul un représentant du président de l'Assemblée nationale et un autre du Premier ministre. Les douze autres membres sont élus au sein des médias publics et privés, les organisations féminines, les défenseurs des droits humains, les imprimeurs, les artistes, les agences de communication et des représentants des syndicats des travailleurs du secteur de la communication. La commission centrale en question, chargée d'élire les futurs membres du CC, est composée de sept membres, dont deux représentants du ministère de la Communication, un représentant du ministère de la Justice, un du ministère de l'Intérieur, un du Conseil supérieur de la communication, un représentant de la presse privée et un autre de la presse publique. Alors, euh, nous allons euh, commencer avec vous, euh, Gary Amadou. Quelle appréciation vous faites de, cette décision ministérielle qui crée une commission électorale chargée donc d'organiser l'élection des futurs membres du CSC Oui, j'ai vu le mois que ça, la, mise en place de ce comité-là a suscité. En réalité, pour moi, la mise en place de ce comité n'est pas une surprise, parce que elle a une base légale et une base juridique bien précise. Même si, si, par rapport aux élections passées, n'est-ce pas, il n'a pas, fait, il n'a pas été fait application stricte de cette disposition de la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. Je parle de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant attribution, fonctionnement, et, de, du Conseil supérieur de la communication. Parce que quand vous m'avez appelé, j'ai dit je vais me renseigner, effectivement, parce que j'ai vu que la polémique, c'est que ça faisait. Et j'ai eu cette loi-là en main. Et voilà ce que cette loi dit en son article 6. D'abord, je vais dire l'énoncé de la loi. C'est la loi 2012. 34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication CSC. L'Assemblée nationale a délibéré adopté en deuxième lecture, le peuple de la République a promulgué la loi. Donc c'est une loi qui est de 2012. Article 6. Nul ne peut être membre du Conseil supérieur de la communication hein, s'il n'est de nationalité nigérienne, s'il ne juge de ses droits civiques, s'il ne réside sur le territoire national, blablabla. Bla, Dernier an il y a un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de leur désignation ou de leur élection. En termes clairs, qu'est-ce que ça veut dire Si un décret fixe les modalités de leur désignation. Ça veut dire que euh, le gouvernement a l'habitude de mettre en place un comité pour superviser ces élections-là. En termes clairs, c'est très... La ministre actuelle a voulu respecter l'esprit et la lettre de cette disposition-là qui existe depuis 2012. Donc, cette polémique-là n'a pas l'heure de citer. Peut-être que les gens peuvent, peuvent, peuvent voir de fait parmi les membres. Et il y a ces décrets, c'est le décret a été pris, vous avez, euh, le décret a été pris, le décret présidentiel. Le décret a été voté par l'Assemblée nationale, il a été promulgué par le président de la République. Je vous parle qu'un décret qui existe. Sur le décret portant euh, attribution, fonctionnement, euh, je vais vous lire un peu l'intitulé pour que les gens puissent comprendre. Tu le d'une loi, tu parles. Euh, non, je vais dire, non, la loi, écoutez-moi, c'est hmm. très bien. Eh, c'est un décret qui promulgue une loi. Hmm. Il faut, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, c'est comme ça que ça se fait. L'Assemblée vote une loi et le président, par décret, il promulgue pour qu'elle commence à être entrée en, vigueur. Vous comprenez Renseignez-vous auprès des juristes, ils vont vous expliquer ce que c'est. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est un décret qui promulgue une loi. Donc, la loi 2012-34 du 7 juin 2000 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Article 6. Je le répète, est-ce qu'on peut savoir au niveau de quel article il a fait cas de. De, cette commission Oui, c'est l'article 6 qui parle, qui dit. Et, l'article 6, avant-dernier en je vous le lis. voilà. Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de la désignation des membres du CEC ou de leur élection. Un décret pris en Conseil des ministres. Est-ce que vous comprenez ce que nous allons revenir à vous C'est ce que ça veut dire. Donc, en termes clairs, c'est le Conseil des ministres qui décide de la, mise en place de ce comité-là. Ce comité-là n'est pas illégal. Il a une base juridique. Et ces décrets, ce que je voulais savoir, regardez, mm. excusez-moi, mm. en fait, ce n'est pas. Oh, on a, vous avez fait cas de, cette loi qui existe depuis 2012, mm-hmm. qui a été promulguée, mm-hmm. et vous avez bien précisé au niveau de l'article 6 que c'est un décret pris en Conseil des ministres qui doit désigner, qui doit euh, déterminer les modalités de, de sélection, donc de, oui, mais désignation. c'est ce que décret donc a été a été déjà pris. et, le ministre, et la ministre a pris un arrêté pour mettre en place le comité. C'est très simple. Bien. Voilà. Nous revenons à vous, euh, Arimia Abakari, euh, par rapport à cette commission centrale merci, chargée. merci beaucoup. Mm Garé nous apprend des choses. Euh, tout simplement ce que je ne sais pas. Euh, il y a une loi qui a fait l'objet d'un décret de promulgation par le président de la République et tout. Maintenant, euh, on dit qu'un décret pris en Conseil de ministres arrête les modalités, n'est-ce pas, de désignation des membres du Conseil supérieur de la communication. Est-ce que cette, ce décret, lui, a été pris ou pas. C'est la question que je vais voilà. poser. Ça, c'est un. Euh, pris ou pas, moi, je n'ai pas connaissance. Mhm. Et le seul fait de désigner les membres euh, du tout nouveau comité, parce que c'est la première fois, mhm. depuis euh, quoi euh, combien de décennies, deux décennies que plus de deux décennies que le, Conseil supérieur de la communication existe, même si c'est interrompu par des, par, des observatoires et tout. Euh, c'est pour la première fois que le la, ce comité est mis en place. Mais si c'est en application de l'article 6 cité par Garé, euh, je ne pense pas que l'article 6 puisse dire que ça normalement, on devait avoir tout un schéma, n'est-ce pas, qui dit voilà les modalités des élections, machin, et qui reprend. Alors que, bon, c'est le, Conseil supérieur de la communication, c'est constitutionnel. On sait sa constitution déjà, sa composition, n'est-ce pas, qui vient, et comment les membres euh, qui viennent pour représenter leur corporation sont élus, n'est-ce pas Et c'est les corporations qui transmettent n'est-ce pas Les élections sont faites euh, par corporation Oui, d'abord, oui. Les corporations, par exemple, le représentant de la presse euh, privée, élu par les membres de la presse privée. Il n'y a personne qui doit s'y. Il n'y a aucune supervision C'est pour toutes les commissions, pour toutes les institutions de la République, c'est d'ailleurs comme ça. N'est-ce pas Maintenant, peut-être qu'ils ont créé un comité euh, qui va peut-être superviser, euh, qui n'a pas le droit, peut-être auquel on va transmettre euh, une fois qu'on aura élu, par exemple, notre représentant. On ne sait pas, mais nous, vu que c'est quelque chose qui a jusque-là très bien marché, n'est-ce pas Nous sommes en droit de douter. Ce n'est pas la chose qui urge le plus de ce pays que de mettre en place un comité chargé de s'occuper des élections au CSC. Non, on fait, on élit des membres pour aller à la Alcia, on élit des membres pour aller à ceci, à cela. Plusieurs institutions de la République, euh, des élections professionnelles sont organisées pour que les gens adhèrent. Et c'est maintenant au sein du CSC, e des élus, que le président, lui, il est, élu. Donc, vraiment, euh, on ne comprend pas. C'est un flou et c'est normal. Pour vous, c'est nouveau. C'est nouveau, nouveau et on s'inquiète. Moi, je m'inquiète. Euh, Rufai Dandoua, vous qui vient de nous rejoindre, bonsoir Rufai. Bonsoir. Donc, euh, nous sommes par rapport à ces sujets, la création d'une nouvelle commission centrale chargée euh, de, de, superviser, d'organiser des élections des membres, des futurs membres du Conseil supérieur de la communication. comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle oui, comme Garel l'a dit, ça a suscité beaucoup de, de débats. Un débat sur les réseaux sociaux surtout. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu même l'intervention du président du CSC, quelque part sur un profil d'un confrère. Mm-hmm. Au fait, moi, euh, ce qui me gêne, ce n'est pas tant que la loi existe ou pas, ou que le décret soit pris ou pas par, euh, par le président de la République, ce n'est pas cela. Ça, ça a été depuis, si c'est fait depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Ça fait six ans. À aucun moment, euh, Garé disait qu'aujourd'hui, aujourd'hui qu'il s'est rendu compte que le décret existait. Il a cherché. Oui, il a cherché. Ça veut dire qu'à aucun moment, ça n'a été fait l'objet d'une communication, d'une vulgarisation pour que les, acteurs de part et d'autre soient au courant euh, de cela. Et bien vrai qu'on dit que dès qu'une loi est, est mise au jour... Euh, un jour franc, elle, est d'application immédiate euh, à, tout le monde. Mais le problème qui se pose, c'est quoi C'est que, euh, je me rappelle la dernière fois, quand il y avait les représentants de la presse privée, et ils, ont, ils ont été choisis par les pères. Il y a Madame, comment, Madame Ramatou, et une, de mes, promotionnaires, il y a. Lawal Salo aussi et un autre des trois ils ont été choisis par leur père. Maintenant, moi, la question que je me pose, ou bien il y aura élection dans élection, vous voyez ce que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que déjà ils ont, été ils ont été choisis par leur père et au sein par exemple du privé. Hmm. Maintenant le comité qui, sera mis en place. Est-ce que lui il va encore faire un autre choix sur la base de quoi Je ne sais pas puisque on dit la presse privée a trois à trois représentants. Maintenant, si la presse privée choisit ces trois représentants, ils, vont, seront acceptés automatiquement par ce comité si c'est le cas à quoi elle sert. Juste à entériner la décision du, euh, de, la presse privée. Ça veut que euh, pour moi, mmh. il n'a pas sa raison, sa raison d'être. Ou bien, quelque part, ils vont trouver des mécanismes pour faire ces élections, tant au niveau du privé que du public, au niveau des autres associations et eh, dans le pays. Et là, peut-être qu'il y a une intention cachée pour aussi et pouvoir contrôler qui et qui vont venir et qui et qui ne vont pas semer de la pagaille. J'attends vraiment de voir. Juste euh, un complément avec des, échanges que j'ai eu avec Garba Ousmane qui est directeur des études au niveau du CSC. E, mhm. Ces derniers expliquaient que cette commission est chargée de recevoir les candidatures, de les valider et d'organiser euh, les élections de, de, ces membres. Et pour lui, pour lui, ah, c'est les élections à l'interne du président. Euh, donc à quoi elle sert puisque le déjà le président du CSC, on sait, depuis que ça a commencé, le CSC, le, toujours le représentant du président de la République. Donc, qui on va élire, quel sera son rôle, si c'est pour entériner, à quoi elle aura servi, si ce n'est juste que les gens vont venir et on va leur donner eh, eh, des perdièmes, je ne sais pas. Il un dernier mot pour passer. Euh, un dernier mot, ce que j'aimerais dire, c'est que les, représentants des organisations socio-professionnelles n'ont pas été choisis hein, jusqu'à présent. Mhm. Ils seront choisis le jour de l'élection. Le comité là, je vous ai cité les critères. Oui, mm. attendez, il y aura une des élections. Moi, j'ai été, candidat à l'élection du CSC précédent. Uh-huh. J'ai vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais candidat. Donc, c'est ce de quoi je parle. Donc, c'est au cours d'une élection que la presse privée choisit ces trois candidats. Maintenant, ces trois candidats sont transmis à la commission. Maintenant, la commission, qu'est-ce qu'elle fait Puisqu'il y a des critères. On dit qu'il faut avoir 35 ans. Il faut être nationalité Il faut avoir, euh, euh, comment on appelle ça là, euh, une, moralité qui a été attestée par la loi. Voilà. Donc, et à partir de ce moment-là, le comité reçoit les dossiers. N'est-ce pas Il reçoit les dossiers, il essaie de voir ceux qui, effectivement, ont, rempli tous les critères-là. S'ils remplissent les critères, eh bien, le jour des élections, ils valident, ils disent que voilà la liste des candidats autorisés à se présenter. Le jour de l'élection, là, c'est pas que quelqu'un, c'est pas, le, comité qui va choisir le, représentant de la, de la presse privée. Non c'est la presse privée qui va élire ses membres. Mais on reconnaît quand même que c'est une première que qu'il y ait une structure mise en place qui est chargée de ce qui se passe dans toutes les moi, je vous dis une chose. Moi, je vous dis une chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que moi, j'ai été victime de l'ancien système. Moi, je me suis présenté naïvement, n'est-ce pas, à l'élection et je me suis rendu compte le jour de l'élection que tout était pipi. Parce que vous savez ce que je, vous savez je suis désolé. non, non, c'est très important. le comité là. Mais c'est très important ce qu'Igaré dit. Le comité, que, quelque part, moi je ne, comprends pas. Normalement, les, c'est au sein, par exemple, de la maison de la presse que la presse privée choisit ses, ses représentants. Quand ils partent, on, suppose qu'ils répondent aux critères. Les organisations socioprofessionnelles des médias les ont choisis. Et quand ils partent d'office, ils sont membres du Que, ce que nous retenons sur ce sujet pour passer à autre chose, c'est que euh, c'est. C'est pas le comité qui choisit. C'est que nous retenons, voilà. c'est que le nous retenons. ne prend pas les représentants de la. Non, non. Mhm. Euh, les représentants de, de la presse de, sont élus par les pairs. Beaucoup de condoms persistent encore par rapport à cette commission. C'est grave par rapport à ce que euh, le, le, monsieur du CSC t'a dit, et c'est ce qui, par rapport à ce que Garé dit, c'est que oh, il y a un comité parachuté qui serait capable de rejeter des personnes qui ont été élues par leur non, non, base. Non, non, non, non, non, non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors, il avait parlé de réception, de validation, Non, non, non, attention, il y a des critères pour être élu, pour être, pour être candidat au, au, au, CC. Mhm. Il y a des critères très clairs, je vous les ai cités. faut mhm. faites pas semblant de ne pas avoir entendu. Bien. Il faut il faut avoir 35 ans, être de nationalité nigérienne, n'est-ce pas, et avoir une moralité attestée par les services compétents. Eh bien, si Seulement les dans élections font par, par corporation. Mais c'est les corporations qui choisissent leurs gens. Mais, mais cette fois... arrêter. Vraiment que les gens arrêtent de nous divertir. Merci. Je vais vous dire une chose. Nous allons passer. Non, c'est Non, non, non, non. Personne ne divertit. Il ne faut pas laisser les gens nous dire n'importe quoi. Le comité. Non, non, non. On est. Non, non. Non, non, non, non. Vous êtes en train de divertir les gens. Le comité ne choisit pas les gens. Merci. Restons toujours dans ce chapitre concernant la presse pour parler de ces correspondances dont je parlais tout à l'heure envoyées par la direction générale des impôts à travers, à travers la direction des, moyennes et, des petites et moyennes entreprises euh, basées à Niamey. Dans ces correspondances, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Arimi, s'il vous plaît, Arimi, nous passons déjà au deuxième sujet, je le disais toujours dans le domaine de la presse alors que. Validation, ça non, oui, mais alors à quoi elle sert Mais il sert, par exemple, à attirer les candidatures. Il y, en a qui ont 32 ans, il y en a qui ont 31 ans. Bah, d'accord, d'accord, d'accord, On suppose que lorsqu'ils ont été élus, c'est parce qu'ils ont respecté les critères. Non, ceux qui sont élus, le comité n'a jamais Nous allons poursuivre, on ne ah, va pas éterniser sur ce sujet. Vraiment, non, non, non. Vraiment, il ne faut pas fatiguer euh, les Enfin, nous allons continuer sur euh, le second sujet. Bien, bien, mais nous allons poursuivre nous allons, nous allons les auditeurs. Non, ils sont pas, les auditeurs sont Bien, bien, ah fatigués. Bien. Euh, non, personne n'est fatigué. Garé, nous allons. Nos arguments sont plats. Mm. Garé, nous allons poursuivre, nous allons poursuivre au, sujet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien, bien. Merci, merci. Nous allons poursuivre, s'il vous plaît, Garé, s'il vous plaît. C'est pas une insulte. S'il vous plaît, Garé, Garé, quand même, nous allons poursuivre parce que le temps file. On n'a pas assez de temps pour poursuivre, pour continuer à éterniser sur ce sujet. Je parlais des correspondances envoyées donc euh, par la direction des impôts à travers euh, la direction des petites petites et moyennes euh, donc au niveau d'un certain nombre de médias de la place. Je cite euh, ce qu'on pouvait lire dans ces correspondances. J'ai l'honneur de vous informer que des inspecteurs principaux des impôts vérificateurs se présenteront au siège de votre société le mercredi 7 février 2018 à partir de 9h30 en vue de vérifier les impôts et taxes auxquels elle est soumise au titre des exercices clos de 2014, 2015, 2016, 2017 ainsi que les déclarations souscrites 2018. Ils pourront au besoin faire recours à l'assistance d'un expert externe, euh, d'un expert externe à l'administration fiscale au cours de cette vérification générale. Vous avez la faculté de vous faire assister par un conseiller de votre choix. De même, un exemplaire de la, de la charte du, du contribuable vérifié résumant vos droits et obligations lors d'une vérification est joint au présent à vie. Fin de citation. Alors, je m'en vais commencer à vous, euh, Roufaï Dandoua. Quelle analyse vous inspire cette décision Et sincèrement, je, me dis que mieux vaut tard que jamais. Même si euh, je me demande où était le, les, impôts pendant, euh, on a dit 2014, jusqu'à 2017, et puis les déclarations. Je me demande où ils étaient pour ne pas faire cela parce que vraiment, vraiment, je suis très content qu'on inspecte ces, les organisations, euh, comment les, organes, de presse. que ce soit euh, la presse écrite ou la presse audiovisuelle, parce que euh, on, le sait, on le tous que la plupart des journaux sont dans les, dans les tiroirs, ne savent pas comment ils fonctionnent. Les organes et, médias audiovisuels, ils sont là, ils amassent de l'argent, ils ne payent pas les impôts, ils ne payent pas leurs agents, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. Je pense que c'est une très bonne chose qu'on les, qu'on les inspecte qu'on les audite et qu'on sache est-ce qu'il peut, puisque, rentrer peut-être l'État dans Qu'est-ce qui se passe C'est lorsqu'on dit qu'il y a le fonds d'aide alloué à la presse que vous voyez les organes de presse courir à gauche, à droite, chercher tel spécialiste, tel, pour mentir en plus. Parce que on ne fait pas bien les choses, on ment aux impôts. oui, pour accéder On, vient, on, remplit tel papier, on appelle les spécialistes qui vont eh, expliquer aux patrons de presse comment on doit contrôler les impôts. Maintenant, on soumet au CSC. E. C'est là où je dis des, fois que à quoi sort le CSC il, e? il vient gaillardement devant les gens, il dit Ah, tel organe de presse a eu telle somme, tel organe de presse a eu telle autre somme. Alors que un travail de fond n'a pas été fait pour savoir est-ce que ces gens-là, non seulement ont payé les impôts ou pas, c'est ça, moi, en cela, je suis tellement très d'accord que cela se fasse, même si je pense que ça a été, ça n'a pas été fait depuis. Gary Amadou, vous êtes d'avis qu'il vaut mieux tôt, euh, tard que jamais oui, effectivement, j'ai vu ces, trois notes-là qui ont été adressées. À... Moi, j'ai vu pour trois organes, j'ai vu pour l'enquêteur, j'ai vu pour Bonferré, puis j'ai vu pour Dunia. Mais je me dis que, <laughs> bon, il faut bien qu'on paye les impôts, n'est-ce pas Si on a une entreprise, il faut payer les impôts. Je ne vois pas le mal j'ai vu effectivement certaines réactions comme si euh, euh, on veut. Non. Et quand on fait, euh, quand on a une entreprise, il faut qu'on accepte de payer les impôts. On ne peut pas passer tout son temps en train de, tricher, comme il l'a dit, parce que les gens trichent. Parce que les entreprises de presse privée, c'est quoi C'est les patrons qui se sucrent, pendant que les agents sont dans la misère, qui n'ont pas la sécurité sociale, et pire, qui ne payent pas les impôts. C'est vrai, la direction, la des impôts a fait peut-être de la complaisance, mais on est dans un système dynamique. depuis, que le, nouveau ministre des Finances est arrivé, le cheval de bataille, c'est la mobilisation des ressources internes et surtout la mobilisation des impôts. Donc, maintenant, on est dans une dynamique, il faut que les gens sachent qu'ils doivent se mettre à règle. Moi, je vais vous parler de mon cas très simple. Moi, j'avais une facture au niveau d'une entreprise qui a, qui a exigé que pour qu'elle me paye, il faut que j'amène une attestation du régulateur fiscal. Je suis parti au niveau de la DGI. Et ça, je vous parle même pas, je vous parle de la semaine, la semaine passée. Je suis parti à la DGI, on m'a fait ma situation. On m'a dit, voilà, euh, pour que tu aies l'ARF, il faut que tu t'acquittes de telle somme d'argent. J'ai dit, bon, euh, moi, je n'ai pas cette somme-là. Mais ce que je peux faire, je peux vous donner la moitié, et puis maintenant, le reste, on fait une échéancier. Parce que la direction générale des impôts, elle est là, elle, est attentive à toutes sortes de solutions. Mhm. L'essentiel est qu'on permette à l'entreprise de vivre et en même temps que celui qui doit s'acquitter des impôts. Donc, on a signé. Et puis, là, on m'a donné. On donc, j'ai pris une échéancier, j'ai dit, je vais payer ça, ça, ça. Et c'est très simple. Parce que les impôts, c'est important. Donc, il ne faut pas que les gens se... Vous ne pouvez pas diriger une entreprise, pensez que vous allez vous soustraire sur des impôts. C'est pas possible. Arimi, Arimi Abba, par rapport euh, à, ces, ces, correspondances envoyées au, à, euh, un euh, certain nombre d'organes de, presse. Vaut mieux tard que jamais, mais je constate que parmi ces organes, il y en a quand même qui ont été régulièrement audités depuis un certain temps quand même. Hein. Lesquels euh, J'ai vu l'édito de, en fait, un papier de l'enquêteur ce matin. Euh, c'est pour la énième fois depuis 2011-2012, 2012 qu'ils ont dit qu'ils ont qu'on leur envoie la même mission. Donc euh, ils sont habitués quand même, je dirais, euh, parce que ils auraient été, selon le papier qui est dans l'enquêteur d'aujourd'hui, ils ont été inspectés en 2012, redressement fiscal de 21 ou 22 millions, ils ont dit. Ensuite, ils ont été euh, inspectés deux fois. Ça, c'est des inspections ponctuelles. Mhm. Je ne sais pas si on fait aussi aux autres médias. Nous, euh, euh, est pensez que notre journal il est mort par la force des choses Donc, ils ont été subis des redressements de 2 millions, 2 millions. et ça, c'est pour la quatrième ou la cinquième fois que eux vont subir. Je sais aussi que Bonferré a fait l'objet d'un redressement euh, fiscal et euh, à hauteur de 70 millions par là. Donc il ne faut pas dire que c'est nouveau. Peut-être que c'est nouveau pour certains. Euh, ceci étant, les impôts, c'est le devoir de tout le monde. Nous, travailleurs, nous payons. J'informe Garé que ce n'est pas tous les organes qui payent maladroitement l'argent. Alternative, nous payons correctement nos agents, et nous, les, nous les inscrivons euh, à la caisse et nous payons l'UTS parce qu'on sait. Voilà, donc, euh, voilà, donc, euh, ok. Non, c'est quand même important, c'est important de préciser, il faut choisir le vrai de l'ivraie, c'est important. Ceci, ceci étant, notre souhait, tout simplement, que les choses se passent, parce que c'est nos organes, euh, nous, les journalistes, on s'est toujours plaint du traitement que nos organes nous pressent, euh, nous, réservent, mais en même temps, sans nos organes, je ne sais pas ce qu'on sera. Mhm. Autrement dit, il ne faut pas tuer euh, la poule aux œufs d'or. La vache au lait, il ne faut pas la tuer, il faut la redresser. Voilà. Bien. rapidement, Garé disait qu'il y a trois organes qui ont reçu. Oui, qu'il a vu. moi, d'autres. moi, j'espère au moins que, ça, que cela se passera pour tous les organes parce qu'il ne suffit pas, par exemple, d'envoyer à l'enquêteur ou à Bonferré et Dunia parce que l'enquêteur et Bonferré dérange. Maintenant, on amène à Dunia pour dire que non, c'est parce qu'on fait semblant. En tout cas, d'après nos informations, ils sont. Maintenant, les services de, finir avec euh, Des impôts continuent de, donc on aura ce qu'on Maintenant, le reste ne va pas suivre. Non, il faut que ça soit, ça continue et avec tout le monde, tous les organes de presse, parce que je vous assure, tous ces organes de presse et à, quelques exceptions. Et d'ailleurs, Alternative ne prend pas le fond d'aide de, la presse. C'est lorsqu'il y a le fond d'aide que ces gens-là se groupent partout pour avoir euh, tous ces papiers. Bien, nous passons à un autre point euh, du forum de ce soir, la marche organisée par la société civile euh, le dimanche. par rapport aux journaux, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les journaux étaient soumis à l'impôt synthétique que je sache. Hein? L'impôt synthétique, on était à 160 000 euh, par journal par an. Est-ce que ça a changé ça, c'est une question à laquelle les, agents des impôts répondent. oui, mais si ça n'a pas changé, <laughs> hmm. ma question, euh, c'est que c'est facile de faire, on n'a même pas besoin d'effectuer le déplacement dans les organes. Euh, qui qui pour certains n'ont même pas de, siège, euh, mm. sauf si c'est la voiture du directeur qu'on va arrêter. Euh, qu'est-ce qu'il en est Garé, Garé, cette, question, question nous, laissons, à la direction des impôts de répondre à, ces préoccupations. Ça, savoir, moi, en fait. la marche organisée. Dans les années 90, enfin fin 90, on a été déjà victime de redressement. Mm. Après, quand on a refait la situation, c'était les impôts qu'on avait de trop perçus par les impôts. Et, on Non, on ne restitue pas. C'est ce qu'on nous a dit, qu'il fallait des années à échelonner, maintenant pour payer. Oui, mais parce que pour les impôts, bien, euh, s'il vous plaît, nous allons passer, nous allons passer à autre chose. La marche organisée par la société civile le 28 janvier dernier euh, à Niamey et dans certaines régions du pays pour dénoncer la loi des finances 2018 euh, que les OSC qualifient de loi antisociale. À Niamey, cette journée a été marquée par une marche pacifique citoyenne suivie de meetings de la place monde à la place de la concertation. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution euh, donnée par Nouarzika, un des organisateurs. Nous demandons du haut de cette tribune, à nouveau, au président de la République et au gouvernement, outre l'abrogation pure et simple des mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2018, de prendre des mesures urgentes, additionnelles, exigées par les circonstances pour aider les populations à faire face au coût de la vie chère ambiante. Donc, vous venez d'écouter, nous, Arzika, euh, un des organisateurs de, euh, cette marche euh, ici à Niamey et dans certaines régions du pays. Je reviens à vous, Gary Amadou. Quel est votre avis par rapport à l'effet de ces marches devenues courantes ces, jours-ci Bon, je ne connais pas, je ne connais pas l'effet de ces marches, mais je vous l'ai dit déjà sur ce plateau. Pour moi, c'est la démocratie qui est en train de s'exprimer, n'est-ce pas Les gens manifestent c'est normal que les gens expriment leur colère par rapport à quelque chose, euh, euh, une chose avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Je l'ai toujours dit, n'est-ce pas Maintenant, le rythme, ils disent que chaque deux semaines, ils vont faire. Euh, j'ai entendu Tchangari dire qu'ils vont faire chaque deux semaines, si ça on va faire chaque semaine, si ça va pas, on va faire chaque jour. <laughs> Je ne vois pas comment ils peuvent faire des manifestations chaque jour. Mais bon, le principe, il est là, c'est que les gens, pacifiquement, expriment leur mécontentement, n'est-ce pas ils expriment leur colère par rapport à une certaine chose. Pour moi, c'est la démocratie qui s'exprime. Et par rapport à ces choses, euh, est-ce que vous pensez qu'effectivement ces choses-là existent, qu'elles dénoncent non, moi je n'en sais rien. Je sais que les gens ont le droit de dénoncer ce qu'ils considèrent comme ne pas être normal. Vous comprenez Donc moi je suis un journaliste. Je, je vois l'information et puis je la traite. Est-ce que vous comprenez Mais ce que j'ai dit, les gens ont le droit de manifester et d'exprimer leur colère. Maintenant, ne me demandez pas, il faut demander à ceux qui sont les organisateurs de, la marche ce qu'ils pensent. Eux, ils pensent que ce qu'ils disent est vrai. Et surtout que dans un autre cas, on va dire que non, non, c'est pas vrai. Mais moi, moi je suis un citoyen, après tout. Gary. mais je suis un citoyen. Moi, je suis là, vous m'avez invité en tant que représentant du journal euh, La Nation. N'est-ce pas Vous n'avez pas invité Gary Amadou en tant que citoyen. Et je suis là en train de m'exprimer en, en tant que représentant de mon journal. Et j'ai dit, les gens ont la liberté d'exprimer leur colère n'est-ce pas Ils ont la liberté de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Parce que c'est comme ça que la démocratie se bat. Ce qui serait mauvais, c'est qu'on puisse interdire aux gens de manifester. Point très. Moi, je ne rentre pas. Je ne veux pas venir chaque deux semaines et, pour venir euh, euh, disserter sur le même discours, la même litanie qui va être euh, chaque deux semaines. Je ne veux pas revenir pour parler sur ça quand même. Arimi Abba, est-ce que ces marches peuvent-elles faire fléchir le gouvernement Tous les jours et on va marcher tous les jours. J'ai déjà vu ça, moi j'ai vu à Rabat une marche pendant euh, une semaine que j'étais là-bas, par le bas de, la fenêtre de l'hôtel où j'étais, tous les jours, il y avait une communauté qui avait marché pendant au moins cinq jours d'affilée. Tous les jours, ils vont devant euh, l'Assemblée, et ils scandent leur euh, machin, ils disent leur discours, ils s'en vont. Ça se fait. Mais quand on dit tous les jours la une manifestation, ça suppose de l'initiative, ça suppose de l'évolution euh, de la situation. Est-ce que le gouvernement va adhérer Certains souhaitent que le gouvernement n'adhère pas, même si c'est tout qui va sortir. Moi, euh, je suis de ceux qui pensent que un régime démocratique doit écouter ses citoyens. Et qui a vu le monde qui est sorti la première fois et surtout cette deuxième fois, on ne peut pas dire, comme certains, que c'est quelqu'un, euh, une dizaine de milliers qui est sorti, c'est pour ça qu'on nous emmerde. Même si c'est un citoyen qui sort, c'est d'abord important. Mais aussi, la foule était réellement là. Il faut prendre en compte, quand tu te fais élire par une masse par la population. Quand cette même population sort dans la rue, il faut l'écouter. Et même quand tu penses que ce n'est pas ceux qui t'ont élu, il faut tout de même les écouter. Donc, quand les gens disent qu'ils vont manifester tous les jours, oui, c'est par rapport à des faits concrets c'est nos factures d'électricité. Je ne sais pas si certains ne payent pas, mais la facture d'électricité qui a sensiblement changé pour tout le monde, de l'eau pour tout le monde n'est-ce pas Les produits de première nécessité. pour tout le monde, le transport, c'est pour tout le monde. Mais écoutez, on, vit chez nous là. Bien. Euh, euh, nous, donnons la parole à euh, Rufai, Rufai Dandoua. Euh, est-ce que vous pensez que, à force de marcher, les autorités en question doivent avoir une oreille attentive je pense qu'elles n'ont pas le choix. Mais avec tout le respect que je dois à Garé, je pense que voilà des propos plats qu'il a tenus, qu'il a esquivé, il a effleuré la surface, il a refusé de répondre à la question pour dire que c'est la manifestation de la démocratie. Bien sûr, parce que s'il n'y a pas cette démocratie, on ne serait pas ici. Mais c'est qu'il faut, c'est qu'il faut se dire. Et comme disait un, auteur euh, français, même si on est journaliste, la recherche de la vérité n'empêche pas qu'on prenne parti. Lorsque tu vois la vérité ou à la quête de la vérité, même si tu es journaliste, même si tu es le seul journaliste au monde, tu peux chercher, tu peux prendre position. Donc, et je ne sais, pas aujourd'hui que Gary va dire qu'il n'a jamais pris position. Il a toujours pris position, comme tous les autres journalistes qui prennent position. Et c'est normal, c'est permis. Et même l'éthique et la déontologie le permettent. Et maintenant, pour, revenir, pour, revenir, pour revenir à... <laughs> Pour revenir à votre question, moi je pense que déjà euh, cette manifestation, la dernière, a eu ses effets parce que juste après, on a vu euh, déjà le gouvernement qui se réunit autour euh, selon les informations qu'on a eues du ministre d'État, ministre Albadé, pour parler de la hausse des prix de certains, dans certains secteurs, notamment le transport. et ils ont dit, que, parce que on a comme l'impression qu'on a laissé tout le monde faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, quand vous partez, regardez, vous partez pour, avant j'ai fait, hier euh, seulement, j'ai fait à l'ISA pour envoyer de l'argent quelque part. Mais quand j'étais venu, euh, regardez, moi je ne comprends pas. On vous dit, déjà quand vous payez à la TVA, maintenant on dit, à y a une autre TVA, il faut payer. Il y a timbre encore qui faut payer. 200 francs. Euh, pire, quand vous partez, ils vous disent qu'il n'y a pas le timbre. Des fois, c'est quand vous insistez, quand vous insistez. Pour, pour, pour mettre. Oui, oui, on vous dit qu'on a. oui, déjà, on, prend les 200 de timbre, mais on vous dit qu'il n'y a même pas le timbre. Ça, c'est juste pour l'envoi de l'argent. Vous avez vu comment le prix des transports a augmenté. Maintenant, moi, je l'ai dit ici, je, me rappelle, j'ai la malchance de, de, louer une maison euh, d'un patron qui a mis le compteur, je crois, c'est 6 kW ou 12 kW. Moi, je n'ai pas choisi de, de, vivre moi, je suis un, simple citoyen, je veux vivre dans une maison, j'ai pris la maison. Maintenant, lui, il a mis pour lui, au cas où un jour il viendrait habiter la maison mais je suis obligé de faire avec. Parce que, bien tu cherches une autre maison. Oui, j'ai quitté la maison. Vous voyez, la loi, elle va frapper tout le monde. <laughs> merci, merci, euh, merci euh, Parlons à présent de cette mission parlementaire dans le département de Douchi. Je le disais, la mission a sillonné des zones en difficulté alimentaire du, département pour recenser les besoins des populations. Il ressort de cette mission euh, une situation alimentaire inquiétante avec, dans certains cas, des populations qui se trouvent, tenez-vous bien, de fouiller des termitières à la recherche de nourriture. Suivant à ce sujet, l'honorable l'honorable Gao, député du département de Dougandou est au micro de notre correspondant Alio Bawa. Comme vous le savez, la campagne 2016-2017 sur le plan agricole a été mauvaise dans le département de Douti. Nous avons fait la situation et il s'est trouvé que la commune la plus touchée est celle de Skoukoutan, qui a un déficit à 100%. Et ensuite, Dogonkiria, en troisième position, Matankar en quatrième position, Ankassari vient la commune de Douti en cinquième position. Et là où c'est très acceptable, c'est au niveau de la commune de Kéché qui est en sixième position. Donc, euh, nous nous sommes transportés au niveau des trois communes les plus touchées, on a pu rencontrer les populations, pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de l'État un peu partout et nous ont demandé soit les demi-lunes, les banquettes, euh, en définitive les travaux de récupération des terres ou les aménagements des mares et autres vallées. Nous allons amener, entre parenthèses, avant-hier, quand on revenait de Kumari, dans la brousse de Godé, on avait trouvé des femmes en train de creuser au niveau des termitières pour chercher des grains de mil. Vous voyez comment la situation est très critique. Vous venez de suivre l'honorable Yakuba Soumana député du département de Duti. Et puis à Nyamé, il y a aussi euh, une vague de population venue du département de Guidamrumji, euh, région de Maradi, contrainte de venir à Niamey en conséquence de la mauvaise euh, campagne agricole, selon eux, de l'année passée. Ils sont au quartier Wadata où ils s'adonnent à la mendicité. Hier, un de nos reporters s'était rendu là-bas. faute de temps, nous n'allons pas pouvoir écouter leur intervention. Euh, Gary Amadou, je voulais avoir votre euh, commentaire. Quel commentaire vous inspire euh, cette situation de euh, inquiétante de, euh, alimentaire. Oui, une situation inquiétante et qui n'est pas surprenante parce que quand on voit ce qui a été fait, les chiffres qui ont été donnés concernant le déficit céréalier, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de villages, j'ai oublié les chiffres, un certain nombre de villages nigériens, en tout cas beaucoup de villages qui sont déficitaires et dont les populations sont dans une situation difficile. Je crois que la mission des députés est extrêmement importante parce qu'ils vont, ils voient la situation, ils viennent y rendre compte. C'est vrai qu'il y a eu des missions ministérielles qui ont déjà détecté ces villages-là, mais là, ce que les députés vont, venir rapporter, c'est la souveraineté quotidienne de, cette population là Et je pense que c'est une invite à, ce que le gouvernement prenne euh, des mesures pour soulager les souffrances de cette population là et amener des vivres au niveau des villages pour empêcher à ce que ceux qui sont en train d'affluer vers la ville, n'est-ce pas, euh, puissent rester sur place et vivre et mener leur vie comme il, comme il se doit. Bien. Euh, Arimia ben, Écoute, euh, on aura beau parler de toutes les choses, ça nous est toujours jeté à la figure notre triste réalité. C'est vraiment ça le Niger euh, profond. Et euh, il faut que les responsables politiques euh, se disent qu'ils sont en train de frapper très fort à côté de l'objectif. Ils ne sont pas dans l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif dans notre pays, c'est de construire des, ponts, c'est de construire la réalité toute triste est là. 21e siècle 2018, des gens qui déterrent dans un pays, dans un endroit en paix, dans des termitières pour essayer de trouver à manger. C'est une honte. C'est une honte. On doit normalement dès lors qu'on a détecté, sachant que ces populations ont de très faibles capacités de résilience, mmh. de prendre les mesures idoines pour pouvoir faire face à ça c'est pire que quand une catastrophe arrive tout de suite. On voit venir, on doit aujourd'hui réagir toute activité C'est mon point de vue. Oui. Euh, Dandoua, on doit réagir. Moi, je salue déjà la, mission des, des, députés. Je ne veux pas que ce soit seulement une mission des députés de l'opposition. Je veux que. C'est un souhait pour tout le monde, je crois, que les députés fassent leur travail. Et aller à l'intérieur du pays, voir ce qui se passe et venir le rapporter. C'est ça leur mission, pas rester juste voter les lois mécaniques comme ça. Moi, je pense que c'est très important. Et maintenant, le problème, le problème, le mal, le mal profond. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Lorsque eh, il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger à leur fin et qui plus sont obligés de faire avec la loi des finances 2018. Vous comprenez ce que ça va faire. Maintenant, déjà, il faut chercher à manger, il faut aller déterrer et dans les termites pour, pour, pour, manger, mais encore, quand maintenant tu veux faire quelque chose, il faut faire avec la loi des finances. Je pense que c'est, il faut penser à ces, aux Nigériens parce que il faut que les que nous-mêmes nous comprenions une chose. Le Niger, ce n'est pas que Niamey. Le Niger, ce n'est pas que les huit régions de, ce pays. Non, non. Le Niger profond, ce sont les gens qui sont dans les villages, qui, sont après euh, plus de 80% de la population. C'est eux le Niger. Donc, il faut penser à. Il faut pas venir faire du bling-bling, dire qu'on a fait ci, qu'on a fait ça, alors que les gens qui, chez qui vous allez, vous irez demain pour euh, demander leur électorat, enfin, et ne peuvent même pas euh, se soigner. Si personne n'a une réaction, nous bouclons ce forum. dire on a fait les trois N pendant combien de temps Voilà le résultat que nous avons, c'est un échec. Fin, du. Sincèrement. Ce que je vais dire en, euh, quelques mots. quelques euh, que je vais dire, c'est que euh, la fin. le Niger est un pays qui est toujours confronté à des, à des périodes cycliques de déficit alimentaire. Maintenant, maintenant, eh, maintenant, il y, a la volonté politique. Peut-être que eh, il y a des mesures qu'il faut, qu'il faut, en tout cas, eh, réadapter pour permettre de, pouvoir. Mais euh, c'est une utopie de croire que euh, personne ne mourra de faim. Même Kounche qui l'a dit, c'est pas vrai. Merci. Fin du forum de, la presse de Nous étions accompagnés avec euh, Arimi Abakar, journaliste à la radio alternative, Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. présentation de cette émission à la Sainte-Cousine Mamadou à la technique Hussein Isaka. Je vous rappelle le rendez-vous des forums langue nationale du week-end. Demain samedi, vous serez en compagnie de Maman Ada pour le forum en Hausa à partir de 17h15 et dimanche à la même heure avec Balkis Amidou pour le forum en Zarma. Ils nous parleront euh, de la cybercriminalité. Bonsoir.